forum du studio le forum du studio kalam le forum du studio kalam le forum du studio kalam le forum du studio kalam Mesdames, Messieurs, auditeurs et auditrices des programmes du studio Kalangou, il est 18h15 à Niamey. Bonsoir et soyez les bienvenus dans votre émission quotidienne, le Forum du studio Kalangou. Une émission dans laquelle se font des échanges et des débats sur des thématiques importantes de la vie et qui vous permet d'obtenir des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème objet de notre débat de ce soir porte sur le rôle des acteurs de la société civile dans le processus électoral au Niger. Quel est le travail des acteurs de la société civile dans le déroulement du processus électoral, comment la CENI et les acteurs de la société civile collaborent dans le cadre du processus électoral, auditeurs et auditrices. C'est donc pour vous apporter des réponses à toutes ces questions posées que nous avons invité Monsieur Nafiou Ouada, qui est le rapporteur général au niveau de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Nous avons invité M. Mohamed El Kabir, qui est le président de la jeunesse active du Niger, et Monsieur Boubacar Ilyassou, qui est membre du ROTAB, réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Pour ce qui est de la modération de l'émission, Bakim Batour Al-Mustafa. Étant pays démocratique, le Niger est donc appelé à organiser périodiquement des élections afin d'assurer l'alternance qui est corollaire de la démocratie. C'est pour l'organisation de ces élections que la Constitution a prévu une institution indépendante, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Ainsi, dans l'organisation de ces élections et pour un souci de transparence et de fiabilité, la CENI collabore avec plusieurs autres acteurs tels que le Conseil national du dialogue politique CNDP et aussi les acteurs de la société civile. De l'inscription sur la liste électorale à la proclamation des résultats, en passant par le jour du scrutin, des contestations et des revendications minent sensiblement souvent l'espace social. L'intervention des acteurs de la société civile dans le processus électoral se justifie donc par un souci de transparence des opérations, mais aussi pour former et encadrer des populations sur les enjeux des élections démocratiques. Mesdames, Messieurs, il s'agit donc euh, d'une question qui mérite d'être débattue afin de permettre à la population d'être édifiée sur l'implication des acteurs de la société civile dans le processus électoral et faire l'état de lieu de la situation actuelle du processus électoral au Niger. Monsieur Nafi Ouada, représentant de la CENI, rapporteur général de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, quel est aujourd'hui le niveau d'évolution du processus électoral à ce jour Ok, merci. Euh, donc, euh, je vous remercie très sincèrement hum, de cette invitation. Donc, euh, par rapport à l'évolution du processus euh, électoral, les différents départements de la CENI et les différents services euh, poursuivent l'organisation matérielle des élections. Vous le savez bien, pour les élections locales, mmh. municipales et régionales, et ça serait, Inch'Allah, le 13 décembre 2020. Mhm. Donc, euh, nous sommes à pied d'œuvre de l'organisation de ces élections qui seront suivies de l'élection présidentielle et législative mhm. pour le 27 décembre 2020. Et par la suite, pour résumer le chronogramme, mhm. le 21 février 2021, ça serait le deuxième, tour. de la présidentielle. Donc par rapport à l'organisation, nous sommes à pied d'œuvre. Mais la condition sine qua non est, la remise du fichier électoral biométrique mm. qui conformément au chronogramme, c'est le 3 septembre 2020, Inch'Allah. D'accord, donc euh, merci euh, Nafi de la CENI. Nous allons revenir euh, vers vous, chers acteurs de la société civile. Dites-nous, avez-vous été associé dans l'organisation de ce processus électoral en cours et comment Commençons par Mohamed, El Mohamed El Kabir, de la jeunesse active du Niger. Merci euh, pour euh, cette invitation afin que nous puissions nous exprimer par rapport à cette question extrêmement sensible qui est la question électorale. Pour répondre clairement à votre question, effectivement, euh, la société civile a été à plusieurs reprises invitée à mhm. participer dans le processus électoral. il y a une semaine de cela déjà, la CENI avait organisé une rencontre avec euh, les acteurs de la société civile afin de discuter par rapport au processus électoral. Parce que vous savez, la société civile euh, intervient en amont et en aval par rapport au processus électoral. Mhm. En amont, bien que la société civile, différemment des acteurs politiques qui sont eux en compétition dans le processus électoral, la société civile, si vous voulez, c'est l'avant-dernier rempart mhm. de toute déviation qui peut s'observer euh, dans le processus électoral. J'ai dit bien avant-dernier rempart parce que euh, la société civile, elle a qualité de dénoncer hmm. de saisir les juridictions compétentes, mais je pense que euh, c'est la juridiction, c'est l'institution judiciaire qui a le dernier mot. <laughs> Donc, il est important que la société civile soit associée hmm. de manière effective dans le processus électoral. Quand j'ai dit qu'elle intervient en amont, c'est parce que euh, effectivement la société civile, vous voyez, avant les élections, il y a d'abord le recensement, l'enrôlement. Mhm. Donc la société civile intervient euh, pour sensibiliser les populations et observer de manière à dénoncer euh, toute fraude qui peut s'observer parce que ce n'est pas, enfin, ce n'est pas une surprise pour nous. généralement, ça se passe, il y a la corruption qui s'opère dans mhm. le processus électoral, même au niveau de l'enrôlement où les gens encouragent à faire des enrôlements de l'irrégularité absolue, mhm. enrôler des gens qui n'ont pas l'âge d'être enrôlés, ou bien acheter des cartes d'électeurs, des électeurs, confisquer les cartes d'électeurs par certains individus, acteurs politiciens. Donc la société civile a pour rôle effectivement. Donc euh, nous allons venir au rôle de la société civile dans le processus électoral. Nous allons à présent demander à Ilyassou Boubacar que le représentant du rotable Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, de nous dire s'ils ont été associés également dans, cette, euh, dans ce processus électoral. Euh, merci. Je commencerai par euh, vous remercier pour euh, l'opportunité que vous nous offrez mm. de dire à l'opinion nationale et internationale le degré d'implication des acteurs de la société civile dans le processus. Mais avant, je veux exprimer une pensée particulière pour nos camarades détenus. Je pense à Michael qui est actuellement à Walam. Mm-hmm. Je pense à Moudi Moussa qui est à Kolo. Et je pense à Halid Munkel qui a Daikena. Donc du point de vue de l'implication de la société civile, ça c'est le principe même euh, posé par les textes fondamentaux de la République du Niger qui dit que euh, dans tout le processus et dans tout le parcours donc du processus électoral, la société civile doit être impliquée. Des avoir, il vous a dit que les représentants de la société civile, donc c'est les acteurs de la société civile qui se sont rassemblés mhm. pour le désigner en vue de le représenter. Et c'est par parallélisme de forme aussi, euh, le même processus va se faire au niveau régional, au niveau départemental et au niveau communal. Mm. Donc c'est à tous les niveaux que les acteurs de la société civile euh, euh, sont, impliqués. Et comme l'a, si bien dit mon frère Kabiru, c'est qu'effectivement le rôle de la société civile, mm-hmm. c'est un rôle de veille mm. citoyenne. Donc il faut le contrôle citoyen de l'action, de l'action, de l'action publique mm-hmm. pour pouvoir voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas ah, marché, comment sensibiliser, comment dire aux citoyens quelle est l'importance du vote en tant que tel et quelle est euh, la possibilité qui leur est offerte, mhm. par exemple, d'obtenir des promesses de la part donc des, acteurs politiques parce que quelqu'un qui vient, il vient avec un programme. Donc comment monnayer sa voix mhm. pas pas avec de l'argent, mais avec des actions porteuses pour mm-hmm. l'ensemble de la localité ou pour l'ensemble du pays. Mm-hmm. Et que, bon, voilà comment choisir. Euh, on, ne fait pas de la politique politicienne pour dire il faut suivre un tel. Mais mm-hmm. on explique aux citoyens, voilà comment il faut choisir le bon candidat. D'accord. Donc, euh, merci, merci, merci, merci, Boubacar Ilyassou. Nous allons venir au rôle de la, euh, de la société civile dans le processus électoral, mais avant, nous allons observer une petite pause. you. Alors, euh, merci, mesdames, messieurs. Nous allons à présent parler du rôle des acteurs de la société civile dans le processus électoral et des moyens dont disposent les acteurs de la société civile pour atteindre ces objectifs. Sachant que le processus électoral a besoin de transparence et de fiabilité pour une alternance pacifique au pouvoir, Mohamed euh, Elhaj Mohamed El Kabir, euh, président de la jeunesse active du Niger, dites-nous quel est le rôle concret aujourd'hui que doit jouer la société civile dans le processus électoral. Elle vise à sensibiliser la population mhm. à savoir comment choisir le bon candidat. Je vais emprunter le mot utilisé par mon frère euh, Iliassou, mhm. qui vient de le dire, qu'il faut effectivement savoir monnayer mais mhm. pas dans le sens de l'achat de, conscience, mais dans le sens de savoir, par exemple, quel est le programme alléchant répondant aux aspirations profondes de cette population euh, que les acteurs politiques proposent. Contrairement à la pratique qu'on observe ici. Comme je l'ai dit, je vais le dire en français facile. Mhm. Ceux qui disent je vais voter parce que c'est mon frère, je vais voter parce qu'il est de ma région, ou bien je vais le voter parce qu'il m'a donné de l'argent. La société civile joue ce rôle pour empêcher la pratique de la corruption dans le processus électoral. Pendant la période électorale, la société civile, elle intervient de manière efficiente dans le sens, par exemple, très souvent pour les régimes qui sont en fin de mandat, mhm. au regard du bilan qu'ils ont réalisé, mhm. effectivement, quand ils sont dans la course, la société civile a pour rôle aussi de rappeler les déviations, les dérives mhm. qui ont été observées pour dire effectivement à la population de ne pas tomber dans ce piège et aussi être regardante par rapport aux autres acteurs politiques en compétition susceptible de proposer un programme qui risque de converger avec, par exemple, des bilans qui ont échoué. Mhm. Donc la société civile, elle sensibilise la population, elle observe les, irrégularités observées par les acteurs politiques et au besoin, est capable aussi de saisir les juridictions compétentes pour dénoncer, les, par exemple, quand euh, une formation politique procède à des achats de voix, mhm. à de la corruption, la société civile peut se constituer et, comment on appelle ça, dénoncer cela, peut-être même porter plainte contre ces acteurs qui euh, euh, opèrent ces genres d'actions qui sont irrégulières. Hmm. Euh, vous avez parlé de rôle et des moyens. Enfin, oui, après les, après, après les élections, hmm. après les élections également, très souvent, il y a des contestations. Hmm. Alors, la société civile intervient aussi en ce moment pour dire, parce que les jours des votes, la société civile eh, observe le déroulement du scrutin. Donc, pendant le scrutin, très souvent, il y a des bagarres souvent qui s'opèrent, on ne le souhaite pas. Mhm. Il y a des vols qui s'opèrent souvent. Il y a de la corruption pure et simple ou de l'achat des citoyens à monnayer effectivement leur suffrage contre celui qui propose l'espèce sonnante et trébuchante. Donc la société civile, elle observe cela, elle fait un rapport et au besoin, après les élections, elle contribue également à sensibiliser l'instance juridique pour que euh, des mesures soient prises. Maintenant, vous avez parlé du rôle et des moyens. Voilà là où le problème se pose. Effectivement, malheureusement, la société civile nigérienne n'est pas dotée des moyens conséquents parce que, au regard de la lourdeur, parce que quand vous prenez la société civile, n'est pas, elle n'est pas en compétition en matière électorale. Les partis politiques aujourd'hui, quand les élections se déroulent, ils sont en compétition et ils sont susceptibles de venir occuper mhm. les instances de décision. Alors que la euh, société civile, ce n'est pas cela. Donc, mhm. parlant de moyens, normalement, euh, je pense que le législateur doit même prévoir Mhm. et la mise à la disposition de la société civile des moyens suffisants mhm. pour que la société civile puisse jouer pleinement son, rôle. Mhm. Je ne vais pas monopoliser la parole. D'accord, donc euh, merci à Mohamed El Kabir. Nous allons également demander à Ilias Boubacar, qui est du ROTAB, réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, de nous dire à titre de complément quels sont les moyens et quel rôle concret aujourd'hui que doit jouer la société civile dans le processus électoral je commencerai par le rôle en mhm. tant que Le rôle fondamental de la société civile dans un processus électoral, c'est le suivi. Mhm. du processus euh, en tant que tel. Et c'est aussi, euh, au-delà du suivi, c'est aussi la manifestation donc de, de vouloir voir clair et mhm. d'aider ceux qui ont la responsabilité de choisir de faire le bon choix. Le suivi du processus électoral commence quand Il commence d'abord par euh, le niveau premier, donc celui des, des inscriptions sur les listes électorales. Donc, euh, la société civile a pour rôle premier de dire aux citoyens que vous êtes citoyen parce que vous avez la possibilité, vous êtes, euh, du moins votre titre de citoyen vous donne la possibilité de choisir qui vous voudrez pour conduire à la destinée de votre pays. Et mm-hmm. cela n'est possible que quand vous êtes inscrit sur une liste. électorales électorale. Quel qu'en soit votre nombre, mm-hmm. si vous n'êtes pas inscrit, ce que le nombre là ne vaut rien. Et mm-hmm. vous ne pourrez pas décider. C'est la petite minorité que vous avez laissée s'inscrire. C'est à elle de décider de votre sort pour l'avenir. Mm. Donc pour pouvoir décider de votre avenir, de votre sort, vous avez tout intérêt à vous inscrire sur la liste. Ça, c'est le premier niveau de responsabilité. Mhm. Le deuxième niveau de responsabilité de la société civile, c'est de dire aux, comment on l'appelle, aux, citoyens, oui, c'est bon de vous inscrire, mais c'est aussi bon d'aller contrôler est-ce que l'enrôlement, vos noms figurent sur la, liste, électorale. c'est écrit sur votre acte de, naissance ou sur, mhm. votre, sur, votre pièce d'état civil. Mhm. Une fois ce, ce, processus fini, on dit oui, il y a une troisième étape. Est-ce que vous avez récupéré votre carte, Parce que si vous n'avez pas de carte, c'est difficile que vous partez voter. Donc ça, c'est aussi un autre rôle que la société civile a à jouer. Mhm. Maintenant, l'autre rôle, c'est aussi au niveau des acteurs politiques. Mhm. C'est de pouvoir jouer et donc euh, du, moins euh, un peu l'arbitrage mhm. pour pouvoir euh, créer les, conditions d'équilibre et d'équité, mhm. si vous voudrez. Euh, bon, on ne peut pas parler d'équité, mais d'égalité. Mhm. Donc des candidats devant, par exemple, euh, les, les, services publics. Vous, constatez très régulièrement, dans le cadre, par exemple, de la campagne, il y en a des gens qui, qui, utilisent plus les médias publics que les autres. Donc que cet équilibre soit respecté, que, que ce soit, si vous êtes tous candidats qu'on puisse vous accorder le même nombre de, temps sur l'antenne, par exemple, à passer votre message. Si c'est payant, qu'on explique à tout le monde que c'est payant, c'est lui qui a l'argent de payer ou qu'il puisse payer. Mais aussi que de contrôler, parce que les textes de la République disent qu'il y a un seuil qu'il ne faut pas dépasser en termes de mobilisation des ressources pour mhm. pouvoir participer aux élections. Maintenant, en termes, très rapidement, en termes de moyens, mhm. les moyens de la société civile, ils sont de deux ordres. Mhm. Vous avez les, les, les moyens juridiques, donc donc euh, l'autorisation faite par la loi de la, les lois de la République et les lois internationales de permettre aux acteurs de la société civile de suivre le processus électoral. Ça, c'est un moyen. Donc, ils sont autorisés à le faire. Et hum. personne, normalement, n'a le droit de leur empêcher. Hum. Ça, c'est le premier moyen. Maintenant, le deuxième moyen, c'est comme euh, mon frère Kabir l'a dit, c'est les de la guerre. Hum. Donc, l'argent. Pour pouvoir. Parce que euh, qui dit, par exemple, sensibilisation, dit déplacement. les les citoyens ne se trouvent pas tous en ville. Et mhm. ceux qui ont besoin donc d'être sensibilisés et d'assistance de la société civile sont en campagne. Mhm. Pour aller en campagne, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des moyens, il faut avoir des véhicules, il faut avoir de l'essence pour mhm. pouvoir se déplacer. Et ça, il faut le chercher ailleurs. La société civile opère de ce point de vue de deux manières. La première, c'est que vous, vous avez des partenaires à l'international qui décident d'accompagner l'État du Niger ou tout État qui est dans le processus électoral. Je fais allusion à l'Union européenne, Je fait allusion à des institutions telles que euh, l'Union africaine, telles que euh, OSUA, telles que Oxfam, telles que d'autres partenaires qui euh, proposent d'accompagner donc les, les, différentes ambassades, différentes ambassades. Vous avez les ambassades des États-Unis, vous avez mhm. l'ambassade de France et les autres qui, qui, qui, interviennent. Donc les, les, sociétés civiles ou la société civile se met en rapport avec ces gens-là. Selon que si c'est des récemment vous avez vu l'Union européenne a lancé un appel à proposition pour pouvoir suivre le processus électoral avec de l'eau. Donc là, à travers ça, les acteurs de la société civile ont la liberté de proposer pourvu que ce qu'ils proposent soit pertinent et mhm. coïncide avec les lignes directrices donc de, de, de, comment on de ceux qui acceptent de financer le processus. Mhm. Maintenant, un autre aspect, un autre moyen, la CENI aussi peut faciliter mhm. donc euh, aux acteurs de la société civile qui n'ont pas la capacité de pouvoir mobiliser chez les partis parce que vous savez, les partenaires, ils ont des, ils des principes, ils ont des règles. Euh, à ce niveau, euh, c'est la CENI qui doit donc euh, s'impliquer pour faciliter et faire toutes les formalités mhm. en vue de faciliter l'accès de ces, l'accès de, ces choses-là aux acteurs de la société civile. Un autre moyen, c'est que c'est la possibilité que les, acteurs de la société civile a d'alerter la communauté internationale sur le manquement observé au niveau du donc processus. du processus électoral mhm travers donc euh, de la rédaction d'un rapport alternatif euh, après avoir suivi le processus et de le rendre public et de le partager avec des institutions susceptibles donc de corriger le, manquement observé donc, euh, et, de faire des, des recommandations pour l'amélioration sensible donc mhm. de la qualité du processus présent et futur. D'accord, merci, merci euh, Boubacar Iliassou. Nous allons à présent revenir euh, aux représentants de la CENI, premier rapporteur général euh, Nafi Ouada. Dites-nous quelles sont aujourd'hui les attentes de la CENI vis-à-vis des acteurs de la société civile dans le cadre de l'organisation et de la supervision de ce processus électoral. D'abord, je disais, les acteurs de la société civile ont un rôle de premier plan très primordial de la conduite du processus électoral. Mhm. Euh, parce que dès la composition de la CENI, en passant de l'article 12, mhm. article 16 qui confère à la société civile euh, le poste de rapporteur, mhm. et article 31 dans la composition de la CENI de concentrer. La société civile occupera le poste de vice-président et le poste de premier rapporteur aussi. Et au niveau de commission, quand on prend les trois étapes du processus électoral, l'étape la, la, préélection, la société civile occupe le poste de rapporteur de la commission administrative du recensement biométrique. Mhm. Donc, euh, vous voyez, et que au niveau de cette étape, la société civile fait la sensibilisation et l'éducation civique, mhm. à savoir le vote utile pour éviter les surplus mhm. des bulletins nuls. Donc, euh, au niveau de la deuxième étape, les autres collègues ont parlé de l'observation électorale. C'est à ce niveau la société civile relève la conformité des textes électoraux par rapport à l'application matérielle sur le terrain. S'il y a des problèmes, ils le soulignent au niveau de leur rapport. Et au niveau de la troisième étape, après la proclamation des résultats, la société civile soumet des rapports acquis de droit avec toutes les insuffisances ou bien les corrections à faire dans les textes. quand vous dites Mais, le rapport que la société civile doit soumettre à qui de droit, vous faites allusion à qui soumet des rapports aux partenaires, à la CENI, au gouvernement nigérien. Donc, euh, ça veut dire qu'ils ont informé tout le monde que voilà les textes et voilà leur application sur le terrain. Si les textes ne sont pas bien appliqués, la société civile n'a pas peur de dire que eh, dans tel endroit, nous avons constaté tel, tel, tel, tel, et, et qui n'est pas conforme Mhm. à la Constitution et au Code électoral. Donc, euh, du coup, ils ont informé, en tout cas les acteurs qui sont à Niamey. Et ils ont informé les acteurs qui sont à Niamey qui ne sont pas à l'intérieur parce que la société civile déploie mhm. toute une énergie mhm. au niveau presque de tous les bureaux de vote pour avoir euh, en tout cas une, euh, situation claire de façon globale du processus électoral. Maintenant, les attentes de la CENI. Les attentes de la CENI à l'égard de la société civile, mon camarade Al-Kabir a rappelé la rencontre que nous avons tenue le 15 mhm. euh, août au Palais du Congrès. Donc c'est pour dire que eh, les attentes sont immenses. Mhm. Les attentes de la CENI sont immenses à l'égard de la société civile parce que eh, nous comptons mhm. sur la société civile pour une alternance démocratique fiable. Cela voudrait dire que même un parti en compétition, mhm. s'il n'a pas la capacité de déployer ses délégués dans un bureau de vote, mhm. à travers l'observation électorale de la société civile, quand même ça contribuera que ce bureau de vote-là gère mhm. de façon eh, cohérente conformément au code électoral. Parce que la société civile participe à la pacification et mhm. à la crédibilité du processus électoral. Euh, premièrement, les moyens. Mhm. Il y a les partenaires. Dans le cadre du Covid, mhm. et euh, vous savez, il y a les organisations comme la CDAO, comme l'Union africaine, comme l'Union européenne qui envoient des observateurs. Maintenant, à travers les discussions que nous sommes en train de partager avec eux, ils compte prendre les observateurs nigériens hmm. qui vont faire le travail à leur place et puis et les produire des rapports. Hmm. Tout ce que nous souhaitons, que, que le travail de façon impartiale hmm. pour faire une observation de qualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile qu'un nombre important de la communauté internationale viennent au Niger pour l'observation électorale. Ils vont mettre l'accent sur l'observation domestique. D'accord, donc nous avons, nous avons, compris, nous avons compris, nous allons passer à la prochaine étape euh, de notre forum sur euh, la collaboration entre CENI et acteurs de la société euh, civile. Le samedi 15 août, euh, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a organisé une rencontre avec les responsables des organisations de la société civile. Dites-nous, euh, Monsieur Nafi Wada de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, de quoi était-il question lors de cette rencontre entre CENI et représentants des acteurs de la société civile. C'est une rencontre d'échange. Nous avons partagé l'information par rapport au processus électoral. Nous avons présenté euh, les statistiques déjà collectées mhm. qui figureront, au, au, niveau du fichier électoral biométrique. Mhm. Et deuxièmement, euh, le président de la CENI a encouragé la participation de la société civile au niveau du commission administrative qui ont bien joué leur rôle, qui mhm. nous ont vraiment alertés sur beaucoup de cas d'irrégularité à éviter et immédiatement on a pris Vraiment, de, on a pris note et on a corrigé. Mhm. Et immédiatement, ils nous ont souligné l'achat du récipicier, etc. C'est à travers la société civile que nous, nous, sommes animés. on ne connaît pas, c'est juste nos démembrements et puis la société civile qui nous ont souligné ça et mhm. que la CENI a fait un communiqué autour de ça. Maintenant, mhm. eh, nous avons porté l'information que le rôle et les attentes de la CENI de leur rôle au niveau euh, de commission déconcentrées, de à savoir le poste de vice-président et le poste du rapporteur que, mhm. la, que, la, société civile occupera. Mhm. Donc, euh, c'est bientôt parce que le code dit que les commissions déconcentrées seront mises en place trois mois avant les scrutins. Mhm. Donc euh, déjà, nous avons lancé l'appel à candidature pour le recrutement de présidents de commission de concentrés. Maintenant, la société civile va se réunir pour désigner les deux représentants. Entre eux, trouveront de consensus. Un va être le vice-président et un va être le rapporteur de la commission. Mhm. Donc déjà, nous avons porté cette information à leur égard mhm. et surtout que la participation de la société civile, c'est une participation de qualité parce que le Code, à son article 31, Mhm. dit que les représentants de la société civile doivent avoir eh, eh, le niveau, doit avoir les bacs ou mhm. tout autre diplôme équivalent. Mhm. Tel n'est pas le cas pour les partis politiques. S'ils veulent, elles peuvent envoyer celui qui a le BPC ou pas. Mais pour la société civile, il faut quelqu'un titulaire d'un baccalauréat ou, ou de tout autre diplôme équivalent. Donc c'est pour dire que eh, c'est en quelque sorte en dehors du président qui sera recruté par la CENI et les rapporteurs ou les vice-présidents président qui va approuver eh, d'un niveau, d'un diplôme. Mhm. Donc, c'est le travail de qualité repose sur les acteurs de la société civile. Donc, par conséquent, eh, ils doivent se concerter et envoyer les personnes de qualité et les personnes très euh, impartiales pour pouvoir faire ce travail-là. Mm, voilà donc, merci. la rencontre euh, d'information qu'on avait eu avec eux. Et on a apporté aussi l'information que les partenaires comptent mhm. accompagner la société civile, surtout à l'étape de l'observation électorale. Et mhm. aussi, la CENI est disposée de les accompagner par rapport à l'observation électorale et toute autre activité du processus électoral. D'accord. Donc, euh, merci voilà Nous allons revenir à vous. À présent, nous allons poser la question à Boubacar Iliassou du ROTAB, Réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, de nous dire quelle appréciation faites-vous de la rencontre du samedi 15 août dernier. Bon, elle est positive, notre appréciation Mhm. et nous encourageons bien que déjà le président a promis que ça soit continuel. Donc mhm. désormais, il va périodiquement, même si c'est mensuel, il va périodiquement, donc comme il le fait avec les acteurs politiques, il va continuer à le faire avec euh, les acteurs de, la, société civile. Mhm. Et, et l'autre aspect, c'est surtout la possibilité qui est offerte aux acteurs de la société civile de partir directement s'il y a des situations qui se présentent directement saisir les membres de la CENI et attendre la réaction s'y est pour pouvoir, euh, comment on appelle. Donc la collaboration, elle est bonne mhm. et elle est euh, souhaitable qu'elle soit euh, continuelle et perpétuelle avec le respect mutuel et la courtoisie qui a caractérisé les échanges de l'autre jour. Mhm. Ça promet un beau jour pour, la, pour la collaboration. D'accord, donc merci, merci Boubacar. revenons à présent à Mohamed El Kabir que président de la jeunesse active du Niger, dites-nous euh, à votre niveau, quelle appréciation avez-vous à faire par rapport à cette rencontre Bon, euh, je pense que je reste absolument solidaire mhm. à mes prédécesseurs, donc euh, qui ont eu à dire presque tout. Mhm. seulement, je vais revenir insister sur un point qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup apprécié. Effectivement, l'observation des irrégularités dans le processus d'enrôlement mhm. biométrique. Euh, puisque moi personnellement je n'ai pas été à la rencontre, c'est un de nos camarades qui a été, et mhm. il se trouve que ce même camarade était également euh, dans, parmi les agents qui ont effectué l'enrôlement biométrique à l'intérieur du pays mhm. et qui ont relevé un certain nombre d'irrégularités, notamment euh, la confiscation souvent par certains chefs de récipicés mhm. ou bien souvent vous trouvez un chef du village qui amène des mineurs Mhm. des mineurs, vraiment des mineurs, et qui exigent à ce que ces derniers soient enrôlés. Mhm. Donc ce sont des situations qu'à l'interne, au niveau de notre organisation, on avait préparé à dénoncer cela, mhm. et heureusement, avec la rencontre, on a pu effectivement exprimer cela, et j'ose espérer vraiment que euh, des mesures idoines seront prises, parce que cette question, elle est tellement sensible, et si vous me permettez, j'ai même voulu euh, ouvrir une petite parenthèse pour édifier davantage euh, l'opinion par rapport à cette corruption qui s'opère, que ça soit dans le recensement, que ce soit dans euh, le jour du vote. Généralement, les gens prennent des miettes, souvent 1000 mhm. francs, francs, 2000, 5000. Je me suis permis de faire un petit calcul et partager avec l'opinion. Mhm. Euh, pour quelqu'un, par exemple, qui prend 1000 francs pour euh, échanger, monnaie, si vous me permettez, mhm. une petite virgule, et qui prend 1000 francs pour échanger sa carte d'électeur. Quand vous faites 365 jours multiplié par 5 ans, ça me donne 1825 jours. Et vous prenez les 1000 francs, vous divisé par 1825 jours. Ça veut dire que la valeur journalière de cet individu est de 0,54 francs jour. Cela veut dire que toute dérive Mm. qui va s'observer par le régime qui a été amené au pouvoir, mm-hmm. par le canal de cette corruption acceptée ou demandée par cette population, mm-hmm. cette population n'aura pas à brancher parce que la valeur de cette population qui prend 1000 francs est de 0,54 francs par jour, 5,4 mm. francs pour celui qui prend 10 000 francs de corruption et 54,79 francs par jour pour celui qui prend 100 000 francs de corruption, pour aller voter. Mm. Donc j'ai préféré communiquer en chiffres pour démontrer la gravité parce que cette pratique et les monnaies courantes hmm. à l'échelle nationale et qu'il faut arrêter ça. Et nous, en tant qu'acteurs de la société hmm. civile, hmm. c'est dans ce cadre-là que nous voulons vraiment une collaboration franche avec la CENI pour pouvoir arrêter ces pratiques qui ne sont pas... D'accord, donc merci Alaj Mohamed El Kabir, euh, président de la jeunesse active euh, du Niger. Chers invités, nous allons à présent parler de difficultés que rencontrent les acteurs de la société civile dans le cadre de, la, de leur mission d'accompagnement du processus électoral au Niger. Dites-nous quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'accomplissement de votre mission, euh, Monsieur Boubacar Iliassou, du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Merci. La première des difficultés, c'est d'abord les moyens. Mhm. Absolument, les moyens font défaut. Vous voyez, le territoire nigérien, c'est immensement vaste. Ça fait presque trois ou quatre fois la France. Mhm. Et avec des acteurs qui ont des difficultés à pouvoir garantir le minimum du fonctionnement de leur structure, qui décident de couvrir l'ensemble du territoire national. C'est un challenge sérieux mm-hmm. euh, qui se pose à l'ensemble des acteurs de la société civile. Mm-hmm. Le deuxième niveau de difficulté, c'est souvent l'accessibilité particulièrement pendant cette période, euh, euh, comment on l'appelle, pendant cette période euh, hivernale, mhm. il y a des zones qui sont inaccessibles pour les acteurs. Mhm. Donc pour pouvoir se déplacer, aller, c'est difficile. Bon, heureusement que maintenant il y a l'Internet, donc il y a les, moyens de communication. Mais souvent, le contact physique est important pour nos communautés. Mhm. Vous restez là-bas, vous nous dites de faire ça, vous faites. Mais quand vous vous déplacez, vraiment la personne, euh, le, contact physique euh, a un pouvoir euh, absolu sur le comportement des mhm. acteurs à, pouvoir. Quand vous n'êtes pas sur le terrain, ce n'est pas si évident que celui qui est sur le terrain puisse vous dire toutes les vérités. Mhm que si vous vous déplacez de vous-même, vous constatez, c'est plus facile à apporter les corrections qui s'y euh, sitôt que les, les, les manquements s'observent. La troisième euh, difficulté, c'est surtout, euh, mais elle a un lien avec l'autre. Si vous, vous prenez, c'est la communication. Mm-hmm. Il y a souvent des endroits où même les réseaux, la couverture euh, des, réseaux euh, est, difficile. Donc dans ces zones-là, vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer et la communication qui vous est facile de faire ne pourrait pas s'effectuer parce que le matériel ou les moyens de le faire ne sont pas aussi disponibles. Hmm. Donc c'est aussi une difficulté pour les acteurs de la société, civile. civile. La quatrième difficulté, qui n'est pas la moindre, c'est la question de la sécurité dans certaines zones qui sont difficiles d'accès parce que vous risquez votre vie à Niala. Donc, c'est toutes ces choses qui constituent les difficultés de la société civile. Hmm. Donc, vous avez besoin de la sécurité pour pouvoir vous déplacer, et, euh, puisque vous savez, dans certaines... Bon, c'est même particulièrement dans la région des Difat, Tilaberi et mm-hmm. Tawa, mm-hmm. où bon, on considère que Boko Haram, où bon, dès que vous êtes déjà, euh, vous avez été à l'école, vous êtes une cible potentielle. D'accord. Donc euh, euh, merci, merci, merci, Boubacar Ilassou. Revenons à présent à Mohamed El Kabir. Dites-nous, selon vous, quelles sont les difficultés que rencontrent aujourd'hui les acteurs Bon, au-delà de ce que mes prédécesseurs ont évoqué, mm-hmm. je peux aussi ajouter les pesanteurs socioculturels. les pesanteurs socioculturels, dans la mesure où euh, ces pesanteurs ont été pervertis davantage par certaines pratiques malsaines opérées par les acteurs politique. Mhm. Aujourd'hui, vous avez euh, certaines localités où, quand vous êtes acteur de la société civile, vous venez juste pour proposer la sensibilisation, on ne vous considère pas. Les populations attendent que, malgré que vous venez les sensibiliser, que vous leur donnez les espèces sonnantes et trébuchantes, que vous leur donnez de l'argent mhm. pour appeler cela, <laughs> pour appeler le chat par son nom. Mhm. Donc ça, ce sont des situations euh, qui ont été entretenues par les acteurs politiques. Et malheureusement, quand un politicien aujourd'hui, un parti politique passe dans un village, il distribue l'argent. Vous, les acteurs de la société civile, vous venez vous dénoncer. Le paysan qui voit son argent dans la poche mhm. trouve que vous, vous êtes même un danger potentiel pour lui. Donc, il est souvent difficile de pouvoir exercer cette communication. Mais je pense qu'avec les médias et en cherchant à résorber les difficultés, notamment en matière de communication, avec l'aide de vous, les médias, mhm. euh, progressivement, on peut un jour espérer effectivement ce changement de mentalité. La mhm. question sécuritaire, elle est vraiment essentielle parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, contrairement à ce que, euh, à la position de certains, mhm. euh, effectivement, il y a des régions où l'insécurité, elle est grandissante, mais euh, je pense que l'un de l'autre, quand même, la, quasi, la, la, grande majorité du territoire national, quand même, est accessible, contrairement à l'opinion qui se fait de manière sur le plan international. D'accord. Donc, euh, merci, merci Mohamed El Kabir. Euh, demandons à présent à Nafi Wada, que le représentant de la Commission électorale nationale et indépendante, selon vous, quelles sont les difficultés dans le cadre de cette mission qui est dévolue aux acteurs de la société civile pour accompagner la CIMI Les difficultés résident au niveau des moyens limités dont dispose la société civile, il ne faut pas concevoir la, face. Mhm. Et c'est des structures, des acteurs qui veulent bien servir euh, leur pays mhm. et qui veulent apporter euh, un plus dans le cadre du processus électoral. Mhm. Mais imaginez-vous une structure euh, qui a des démembrements à DIFA qui souhaite euh, déployer ses agents pour observer les différents bureaux de vote au niveau des DIFA, il faut qu'elle ait des moyens supplémentaires pour cette observation électorale. Donc, euh, c'est pour dire que c'est des structures qui sont bien formées, et qui ont des qualités mais qui sont plus ou moins limités par des moyens. Mais on remercie vraiment un certain nombre de partenaires, euh, à savoir l'Union européenne, à savoir OSIWA, à savoir la CDAO, l'Union africaine, euh, le mhm. etc., qui vraiment euh, souvent appuient cette structure là dans le cadre du processus électoral. D'accord, donc merci donc, nous les encourageons vraiment pour euh, que le continue, mhm. dans ses sens et puis aussi au niveau interne, la CENI va faire de son mieux pour l'accompagnement de ces structures. D'accord. Donc, en guise de perspective, qu'allez-vous dire Nous sommes presque à la fin de notre émission. Pour vraiment qu'il y ait une amélioration euh, pour l'accompagnement des acteurs de la société civile dans le cadre de ces processus électoraux euh, En guise de perspective, je, peux dire que euh, la CENI compte maintenir des rencontres très étroites avec la société civile les mhm. rencontres d'échanges et d'informations. Et la CNU aussi compte s'appuyer sur la société civile euh, concernant la sensibilisation concernant l'éducation civique des électeurs. Parce que ce n'est pas un honneur pour nous qu'on organise euh, une élection juste pour la contester, hein, premièrement, ou bien deuxièmement, organiser une élection juste euh, avec euh, un taux d'abstention ou bien des bulletins très élevés. Mhm. C'est le rôle de la CENI de sensibiliser, mais quand même la CENI compte s'appuyer sur les organisations de la société civile pour mener à bien eh, cette activité. C'est mhm. pourquoi des rencontres périodiques eh, sont vraiment déclinées. Et la prochaine rencontre, Inch'Allah, c'est au mois de septembre. Donc, c'est mensuellement. Mhm. Et quand le processus s'approche, on va voir pour réduire la période. D'accord, donc euh, merci, merci Nafiwada. Nous allons à présent demander à nos invités, acteurs de la société civile, de nous dire en termes de perspective très rapidement qu'est-ce qui qu'il pense pour euh, une amélioration de cette collaboration entre CENI et acteurs de la société civile, commençons par euh, Boubacar Ilias En termes de perspective, euh, c'est vraiment la facilitation de l'ensemble du besoin de la société civile. Vous savez que pour observer un processus, vous avez besoin d'une accréditation. Mhm. Il va falloir que la CENI facilite ce processus-là, que la CENI aussi facilite l'accessibilité de certains partenaires, parce que certains partenaires, quand ils viennent directement, ils vont discuter avec la CENI avant d'aller voir les acteurs de la société civile, que la CENI facilite toutes les demande, mhm. puisque vous avez des partenaires qui vous demandent, mais quel est votre rapport avec la CNC il arrive euh, par bonheur qu'une structure soit euh, demande à, à, la CENI un papier, que la CENI soit dans la prédisposition de faciliter euh, donc l'obtention de ce papier aux acteurs de la, société, civile. L'autre aspect, l'autre perspective, c'est que, que la CENI puisse aider les acteurs à disposer de la sécurité dans les zones où ils ont besoin d'être sécurisés. Mhm. Qu'il facilite par exemple le contact entre la gendarmerie, la garde, les FDS et mhm. les acteurs de la société civile dans des milieux difficiles d'accès. Merci, merci Bouakar Liassou. Euh, euh, Mohamed El Kabir, un dernier mot par rapport aux perspectives. En termes de perspectives, euh, je pense que la CENI doit continuer ce qu'elle a amorcé à l'occasion de la réunion du 15 août, mhm. continuer la communication, continuer la collaboration, être à l'écoute active à une direction des acteurs de la société civile par rapport à toute question et ne pas aussi mettre de retard à répondre par rapport à toute demande euh, des acteurs de la société civile. Parce que la célérité du traitement euh, des relations entre nos deux corporations, c'est ça qui peut créer l'efficience dans, euh, en tout cas, le déroulement d'un bon scrutin. D'accord. Donc, à issue heureuse, on le souhaite. Merci, merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de notre émission Forum du Studio Kalangou qui nous a permis d'échanger sur la thématique du rôle des acteurs acteurs de la société civile dans le processus électoral euh, au Niger, afin de savoir la collaboration qu'il y a entre la Commission électorale nationale indépendante et les acteurs de la société civile dans l'organisation de ce processus électoral, connaître les difficultés et également envisager des perspectives, en espérant que les échanges vous ont permis d'avoir des réponses euh, satisfaisantes aux questions que vous vous posez au quotidien. Nous vous disons merci pour votre fidélité au programme euh, du studio Kalangou qui sont diffusés à travers ces 45 radios partenaires. Nous étions dans ce forum en compagnie de M. Nafi Wada, qui est le représentant de la CENI, de Boubacar Ilyassou, représentant du ROTAB, et de M. Elhaj Mohamed El Kabir, président de la jeunesse active du Niger, pour la présentation. C'est Bakim Batour Al Mustafa. À la régie technique, Issa Lawali, et à la régie vidéo, nous sommes avec Mustafa Ayuba. Merci et à bientôt pour un autre forum sur une autre thématique d'actualité.